Bientôt, l'imam va venir délivrer son discours, son, son la prière de ce vendredi 10 février. Regardez ce beau décor, tout en blanc. Ça rappelle Arafat, mais c'est surtout ça rappelle le jour dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous pardonne, pardonne nos parents, pardonne les musulmans qui nous ont précédés. Nous accueillons... les accueille tous au paradis Firdaus. Qu'Allah soit content de nous, comme il le dit dans le Coran. Que nous aussi les musulmans soyons contents d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Qui peut trouver un décor aussi beau, aussi magnifique, discipliné, parfait. Non, impossible. Il n'y a que l'islam qui peut le faire et il l'a fait. N'est pas qui veut être musulman. Qu'Allah subhanahu wa soit loué, soit remercié. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Là, nous voyons le parvis ou l'esplanade, un des côtés de la grande esplanade, tout autour de la grande mosquée de la Kaaba. Donc, un des lieux aussi de prière pour les pèlerins nous disions tantôt, euh, le souterrain euh, qui va tout droit au pied de la Kaba. Nous sommes maintenant au premier étage. Donc, euh, un autre lieu de prière qui est au-dessus sous-sol et au-dessous du deuxième étage. Voilà ce qui permet à la grande mosquée de la Kaaba d'avoir une capacité de 5 millions de pèlerins au cours d'une prière. L'esplanade à l'extérieur donc, le sous-sol, le premier étage, le deuxième étage, le troisième et la terrasse. Ça, il n'y a que l'islam qui est capable de le faire, qui a la possibilité de traîner, de autant de monde euh, Un des lieux de prière, plus précisément le sous-sol qui mène directement au pied de la Kaaba. vous voyez, les pèlerins sont installés au sous-sol. qui mène tout droit à la cabane. en tout pour tout, il y a quatre niveaux pour les pèlerins ou effectuer La prière, le sous-sol qui mène donc tout droit au pied de la cabane il y a le premier étage. Il y a le rez-de-chaussée d'abord, il y a le premier étage, et il y a le deuxième étage, le troisième, et la terrasse. Nous sommes maintenant à la terrasse. Où se trouvent les trois coupeaux de couleur marron qui surplombent la porte, l'une des portes principales de la grande mosquée de la Kaaba, la porte 79 King Fahd. Donc euh, la terrasse est un des lieux aussi où les pèlerins euh, viennent pour prier. Nous disions tantôt euh, l'esplanade à l'extérieur de la grande mosquée, le sous-sol qui mène droit au pied de la Kaaba, le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième est la terrasse que voici. C'est ce qui permet à la grande mosquée de la Kaaba de pouvoir contenir au cours d'une prière, d'un seul coup, 5 millions de pèlerins. Il n'y a que l'islam qui est capable de le faire. Il n'y a pas un autre rassemblement humain dans le monde. Et cela ne surprend personne, surtout pour ceux qui sont intelligents et qui raisonnent. Dieu a dit dans le Coran, in the dina in the light al islam uh, donc euh, la terrasse fait face en même temps à la à l'hôtel Hilton ou abrite enfin euh, où, fut qui fut le domicile de Ababakar, le, premier converti à l'islam et père de Aïcha, mère des croyants. Nous avons aussi en face de nous Abraj Al-Beiti, hein, euh, une bâtisse qui fait sept tours et qui contient plusieurs hôtels de 5 étoiles. On peut citer Pullman, on peut en citer Hilton, on peut en citer Sheraton, on peut citer euh, Hein. on peut citer sus Hotel, etc. Donc voilà la terrasse de la grande mosquée. Ici, nous vous présentons le rez-de-chaussée de la mosquée où se trouve la Kaaba cette partie de rez-de-chaussée, c'est exactement par l'entrée de la porte 79, appelée aussi King Fahad. Là, nous avons le rez-de-chaussée. Donc nous, avons, nous vous avons présenté l'esplanade, donc l'extérieur, le parvis de la grande mosquée, où les pèlerins prient. Nous avons présenté le sous-sol qui mène tout droit au pied de la Kaaba. Nous vous avons présenté le premier étage et actuellement vous avez le rez-de-chaussée par l'entrée porte 79 lii ñuy présenté nii de wóor na wóor na yàlla ne benn côté rek la waaw benn côté rek ci jàkk ji moo mel nii ndax mënuñoo filmer ndoo côté yëpp rëy na rëyaay boo xam ne kenn mënut xam dayoo kon gis nga fii tableau yu wert yi nekk fii la jàkka ji yemoon te jamono yont yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam bañ ko gund xotalee génne ko Makka mu ñëw Madina jàkka ji kon fii la yemoon ci tableau yu wert yi ngeen gis nii kon li ci gannaaw lepp te ñu filmé ko lepp ak yi jot film ak yi jot mën a filmé loolu gannaaw yont yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam lañ ko yokk ci ji muy extension kon capacité d'accueil, ji kenn mënul wax ñaata la xamuñ ko ndax rëy na rëy goo ne sans contre nag parvis bi maanaam les esplanades côté yëpp la gauche maanaam aile yi aile gauche aile droite euh, ci ci ci ci ci ci gannaaw ak ci kanamu jàkka ji réy ni réyaay goo xam ne kenn mënu laa natt ou bien wax la jàkka ji naka la toll réy na réy na kon boog làmp yu bari yee ngeen di gis weex ci biir foofu nag mooy raw du jannatu fala xabru bi nekk fala minbar ba nekk fu daan taxaw di xutba fala mihrab ba nekk fu daan taxaw di julli kon moo nekk noonu ci biir allahumma salli ala muhammad wa ali jàkka jàngoo waay waay jàkka jàngoo اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد بنتو بينجين ngeen numéro 24 mooy baabul muda guerre al muda fii du gis ngeen niñ ko barrière ndax policiers yi xam nañ ne léegi am na ay ujaaj ay pèlerins yu xam ne fi place secret la maanaam mbég euh, am na lu fi nekk nee nañu fii la yonti yàlla Ibrahima alayhi salaatu salaam mi waral ak ak Tabaski ci place bii mu daa fi la ñaane woon ñaanam gu màgg googa ngir yàlla barkeel njabootam barkeel jullit yi loolu boo demee ci sur sóoratu Baqara maanaam numéro deux verset cent vingt ba ñaanu yontu yàlla Ibrahima gu màgg gu rëy googa mi ngi fi ma fa di ko fa fekk. comme niñ ñu ko waxee woon sànq rek lu ñu jagleel yàlla nii rek la mën a mel in faut mu rëy il faut mu rafet in faut mu taaru li koy firndeel sax mooy dañuy wax toujours ne xaru tabaski dafa war a mat. war a taaru war jekk ndax yàlla soxlawul yàpp wi soxlawul rëyaay ga waaye la mu soxla rekk mooy deret di ñuy tuur ngir gërë ngir màggale ko ko maanaam jëmm ji am na solo waaye li gën a am solo mooy nga jox ak li nga jox yalla li nga jaglel yalla nga jox ko ak wax deug yalla jakka ji day ah ñi gëm yontu yalla Muhammad alayhi salatu wasalam ci di jox nañ ko ak xam de Lahab bi yalla, duma tekk ko ne ko tabbat yada abi lahab nga xamne mom moom Lahab ak bàyyu yontu yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam ñu ko wax Abdullah ak Hamza ma nekk Uhud ak Abbas mi nekk fii Baqiya ak Abu Talib papay Alioune Abi Talib ñii de ñoo bokk benn baay Abdou Moutalib jur leen yàlla subhaanahu wa taala génnee yonti yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam ci famille boobu Abdullah jur ko ñépp gëm ko ba mu des Abu Lahab xeex bu mu ko xeexul amul mbon gu mu ko deful amul mook jabaram ba yàlla tëkk ko mook alag leen sax laay wax mook jabaram moo tax ma ne Abu Lahab day tey gis ne lii de fa mu nekk ndax yàlla dina ko toroxal waaye dina xam ne day bu tey doon démb du sonal yonti yàlla Muhammad alayhi salaam ba di ko dàq di ko dàqlu mook ay ñoñam waaye fii mu ñëw tey day gis nga niñ ko teeroo ñuy moo ñi wax waa al ansaar jàkka ji day lislaam yeyoo ko moo taxit ñuy wax alhamdulillah di wax astaghfirullah Je viens d'arriver à Médine à 2h du matin par taxi en venant de la Mecque, plus précisément la Haram, la Kaba. Donc, voilà le visage que nous présente la grande mosquée du prophète Mohammed en cette nuit du 11 février 2023 à 2 heures du matin, plus exactement. Vous avez là-bas Taibo Shopping Center, l'un des hôtels où loger les Sénégalais durant euh, le magistère de Dr Tcherno K. Vous avez aussi à côté Hilton hôtel. là-bas au fond, vous avez Madena. Encore à droite, vous avez Raoda Hotel. Vous avez aussi Al-Ansar Golden Hotel. Al-Andalusie aussi, suite. et le fameux hôtel Takwa. Hôtel. Là plus exactement où vous voyez l'étoile de couleur marron. C'était le rond-point sur lequel se tenait la fameuse montre qui faisait face à l'entrée principale, ou bien l'une des entrées principales, plus exactement la porte numéro 21. اللهم قنعني بما رزقتني آمين. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارحمنا آه برحمتك آمين. واعتق رقابنا من النار آمين. وادخلنا الجنة آمين. واعفو عنا يا كريم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار محمد وآله الأطهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين Vous la voyez Elle est vraiment imposante. Elle est vaste. Belle. Unique dans son genre, dans son style, comme je disais. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad pour ratisser large et informer beaucoup de concitoyens sénégalais, co-religionnaires, il faut de temps en temps parler un peu au lof dama bëgg wax fii rek mooy jàkk jiire yi yont yàlla muhammad alayhi salaatu bi mu koy def metti woon na ndax dañ ko gund xutaal ay mbokkam génne ko màkka waaye ñi ko génne woon tey buñ gisoon teraanga ji yàlla defal Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam fii ci suuf dinañu yéemu te dinañu am gàcce xool leen rek jàkka ji macha allah rëy na taaru na comme ni ma ko waxee sànq rëy nga taaru nga allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad Nous sommes revenus ici à Madina, la ville euh, du prophète Mohammed ce 12 février 2022. Il fait minuit. Euh, vous voyez la mosquée Nous voulons présentons à nouveau une mosquée unique en son genre, grande, majestueuse et imposante. Quelle belle infrastructure, quelle belle architecture, quel beau décor. Elle est grande, elle est magnifique. Comme disait un chanteur sénégalais qui habitait Caisses, je veux nommer Ablaï Ndiaye Tiosan. Dans les années 60, plus exactement l'année où c'était déroulé le festival mondial, le premier festival mondial des arts nègres tenu à Dakar. Il chantait la grande radio sénégalaise qui s'appelait à l'époque ORTS. Il parlait de sa grandeur en disant Ring, Tarunga je crois que cette chanson, c'est la mosquée du prophète Mohammed qui méritait d'être magnifiée, chantée. Parce qu'elle est grande, elle est imposante.

La wal la laa sharika comme fille moi, devanture ou bien entrée ou bien jardin de la grande mosquée de euh, Bir Ali kuy umra ma kuy obligatoirement d'ingénieur de ñëw ci yéene fii ngay armale kon armal fii nga koy defe képp kuy aj képp kuy umra ci jàkka ji ñuy biir aali kon bokk ñu xamee ko noonu yàlla ñu yàlla jëggal yàlla ñu yàlla nangul ci barke Muhammad alayhi salaatu salaam اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد waa ali Mouhamed kon boog jàkka ji moom gis ngeen ni mu ree ak ni mu taaroo kenn du aj te ñëwoo fii kenn du umra jóge Médine te ñëwoo fii kon boog ñu xamee ko noonu jàkkay biir àll yi ngi nii jàkkay biir àll yi ngi nii Sénégal yi xam nañ ko جاجيب خمنيكو اللهم صل على محمد وعلي محمد المجاكة جانيني لا موسكة دي زيروزالي مغيني لأي جلقة بباري أي موميت رينا رفن نتارونا قد أجوما لنيو نكنيتاي في تشي زيروزالي مغيني جاكاي جيروزاليم ني كوم ني نلن وخون سانخ بوكول اك الكورس ف خونتو بانيك ف يونتي يالا محمد عليه الصلاه والسلام ديباري وون تي ديغلو يالا ak ci une sunu borom de wa taala la grande mosquée de Jérusalem la grande mosquée de Jérusalem la grande mosquée de Jérusalem la grande mosquée de Jérusalem la grande mosquée de Jérusalem, elle est belle, elle est magnifique. Reine Taruna. celle-là, quelle Allahumma. Salut Allah muhammad ali muhammad allahuma Salut ala muhammad ali muhammad mihrab Fille Fili Imambi. di taxaw buy julli fi ci la grande mosquée de Jérusalem fii mooy mihrab bi fii la imam bi taxaw buy xutba allahuma salli ala muhammad ali muhammad allahuma salli ala muhammad ali muhammad toujours ñu ngi ci jàkkay Jérusalem da ngeen ñu ngi nodd noonu pour julli geewe jàkka ji rëy na rafet na taaru na jaroon a gis jara xam jàkka yi Jérusalem ngi nii jàkka yi Jérusalem jàkka yi Jérusalem ngi nii bokkul ak masjidul Aqsa waaye ñoo den ñoo den Donc C'est un site religieux très important, un euh, site historique. C'est ici où les infidèles euh, quoi avaient euh, euh, intercepté le prophète Mohammed et lui avait interdit d'effectuer la Ombra. mais un bon diplomate, et euh, conscient de sa mission et il avait euh, euh, signé un pacte avec les infidèles pour qu'il le laissent rentrer, ou retourner, rebrousser chemin pour l'année prochaine. C'est d'où l'appellation de cet accord, l'accord de Odébieux. Donc voilà les, Européens, les Asiatiques qui connaissent bien l'histoire de Odébieux. Ils sont là, ils sont venus en tout cas euh, faire la ziar à Oudébia, ce que euh, nous avons ici euh, l'ancienne maison, l'ancienne mosquée de vous avez vu, hein, l'ancien style, hein, vous, l'avez vu, hein. donc c'est un site religieux, hein, gardé, en tout cas conservé par les autorités euh, sur Donc là aussi, nous avons des Indonésiens qui sont venus aussi faire la ziara euh, de Oudébia. Voilà, donc l'ancienne mosquée de Oudébia. Hein? Voilà, Oudébia. Voilà Oudébia. Voilà Oudébia. Salam alaikum wa Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. ngeen euh, euh, asiatique yi ci jàkkay Abdallah ibn Abbas ah gis ngeen ah ñoom ñëpp di Ziarah si allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad اللهم صل على محمد علي محمد اللهم صل على محمد علي محمد ay Turk lañ ñi ay Turk lañ kon fii lañu rob nag Abdallah ibn Abbas Abdallah ibn Abbas nag mi ngi nii fii tamit bibliothèque bi la bibliothèque jaka Abdullah ইবনে Abbas. কিদার গেতা bre ya? গেতা bre কোন সিএফ Jila. jàkka ji ana xabru bi ci biir ci ah kon xabru bang ngi ci ci biir abdallah ibn abbas waxoon nañ leen sànq ne abbas papay taxu yonte yàlla mohamed salam moo ko jur di frère abbas di frère ci abdallah abdallah bi jur yonte yàlla alayhi salaam waaw kon moo nekk fii ci Taïf lii nag jaadu na rafet na aussi Sénégal yi xam ko bu ñu aseetee Màkka ñu ñëw ziyaare fii quatre-vingts rek la mën nga boo jëlee taxi. gën caa boo jógee boo xabru baa ngi nii ah xabru baa ngi nii ci mur bii miir bi ngeen gis nii comme nous, je le disais tout à l'heure, nous entamons notre descente, notre retour vers le pied de la montagne. Euh, la montagne de Jabal Sour est mesure 2 km de hauteur. Donc elle est plus haute que la montagne diable Nour, là où le Coran a été révélé Ikhra. Euh, le chemin de la montagne diable Sour est beaucoup plus difficile pour monter comme pour la descente, qui est beaucoup encore plus dangereuse parce que glissante avec les rochers. Le chemin est trop accidenté. Hein. Euh, surtout pour les vieilles, euh, pour les vieilles personnes du troisième âge. Facile, facilement on peut glisser. Euh, c'est pourquoi nous conseillons en tout cas les pèlerins qui veulent monter ou bien escalader et aller voir là où le prophète Mohammed s'était réfugié avec son ami Ababakar lors de leur poursuite par les infidèles. Mais quoi uniquement pour les, dans l'intention de les assassiner, euh, en tout cas en faisant l'expérience, en vivant l'expérience, on se rend compte facilement compte que le prophète a beaucoup enduré, il a beaucoup souffert, uniquement pour pouvoir transmettre le message coranique que, le Dieu, que, que Dieu le Créateur de l'univers, des mondes, des cieux, la terre et de ce qui est entre eux lui avait transmis. Heureusement, Alhamdulillah, que le prophète a pu transmettre intégralement le message coranique parce que non seulement Dieu l'a euh, certifié, il a témoigné en disant que effectivement tu as su ou bien tu as transmis intégralement le message que je t'avais euh, transmis. Le message c'est quoi C'est le Coran. Et même lui, le prophète Mohammed lors de son dernier un pèlerinage à la Mecque sur le mont d'Arafat, il a tenu à rappeler hein, ceci en disant Al Yaoum Agmal ce jour, j'ai parachevé votre religion. Donc, euh, et il ajoute Je vous ai laissé deux choses, c'est-à-dire le Coran. Nous sommes ici euh, dans un. Euh, site sites religieux euh, au début, où s'est déroulé, euh, euh, où a eu lieu dans les années, dans les premières années, durant les premières années de l'islam, un, pacte liant le prophète Mohammed euh, aux dignitaires euh, euh, mais quoi Ces derniers ne voulaient pas le sentir ou bien le voir dans leur contrée. Quelle beauté Regardez le tombeau du prophète Mohammed Regardez Comment c'est beau. Ce mardi 21 février 2023 à 9h30, on ne pouvait pas manquer ou rater ce grand rendez-vous, ce beau décor. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, nous bénisse. Accueille nos défunts parents au paradis. Bénisse nos familles nous assiste ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Quel beau décor. Quel beau décor. Quel beau décor. Quel beau décor. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Euh, toujours euh, sur nos retours euh, à Médine, ce mardi 21 février 2023 à 8 h euh, ñu leen di présenter à nouveau Alimatu Sadia qui nag moo nàmpal yonent yàlla Muhammad alayhi salaam boo ko ñëpp euh, euh, dawee ngir nee nañu ay wajurum amuñu kon Alimatu Sadia nak mom mo moo euh taif Euh, moo tax ñu naan euh, ba yonent bi aleyhi salaam euh, ba mu sonnee Makka dafa daw dem Taïf ci kër ndijaayam pour ñu jàppale ko waaye ba mu ñëwee dañ mag ña yéefar yu Taïf dañ ko boole ay xale ki dof ñu koy sànni xeer kon Taïf googu ñu ne kër ndijaayam la ndijaayam la ci Alimatu Saadi mi nga xam ne moo ko nàmpal waaye du ndijaayam ci soxna Aminata mi ko jur ndax ki la nàmpal yaay yaay la ci yow moo tax ñaar ñu bokk jigéen ju leen nàmpal muy góor a jigéen du ñu sëy ci lislaam kon loolu tax ñu naan Muhammad alayhi salaam ba mu demee Taïf kën nijaayam la demoon waaw kon nijaayam la la demoon ci alimatu saadi mi mi ko nàmpal allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad